dans un parcours vivant de possibilités, suivez le parcours épique des jeunes. Découvrez l'univers captivant où chaque moment compte, l'univers des jeunes. Une nouvelle émission sur de TV. Êtes-vous prêt à plonger dans l'intrigue de la jeunesse C'est avec votre sister Wallis sur Batdug TV, la première chaîne républicaine alaykoum wa Sénégal alaykoum la jeunesse man Walis m'a indi leen émission bu bestak l'univers des jeunes mu émission bo xamante ne ñu fas ko ay am solo fi ci TV xaar Inch'Allah ma incha rabbi